on gagnima on goni premier dans le Sénégal lors des dernières élections législatives avec 84 le 24 février ko Libi daro cohlumi ɗo kanel non ngol a haade oɗon mbaawi haade oɗon non noon mi yodon ɗon ko 90 kanel wi makki fuuta wi makki matam wi makki raneeru wi makki sénégal wi makki Avant 2012, il y avait 823 hectares dans l'ensemble du département. Depuis, nous avons rajouté 1998 hectares en plus, ce qui fait que nous avons 2871 hectares. Et vous savez que le programme nous portera à plus de 5000 hectares bientôt dans le département de Canel. Vous avez le barrage de Balel pour l'approvisionnement en eau du Djouloul pour les cultures de contre-saison. Vous avez surtout dans le département les deux ponts de désenclavement que sont le pont de Gangue en construction et le pont de bosse Nous allons engager plusieurs pistes

population de Bakel. Nous avons entamé un programme de 75 km de piste, puisque je sais que dans la commune de Balou, ainsi que la route qui vient de Djimbe-Balou jusqu'à Bakel, et qui continue dans le Gadjaga, qui passe à Yelimana, à Yafere jusqu'à la frontière de la route nationale vers Djawara. Cette piste longue de 75 km sera l'une de nos priorités à partir du mois d'avril, mois de mai. J'ai aussi lancé un projet appelé HLM 60-45. 60, ça veut dire il faut réaliser au moins 60 villas HLM dans l'ensemble des 45 chefs-lieux de département. assalamu alaikum, bandiraɓe kidira kidira mënuma fi bañ ndax kilifa de kilifa bundu Moi, papa Anoun si, nous avons développé le PUDC qui a permis un vaste programme de désenclavement. Les villages électrifiés, à peu près 3000. Qui dira également on va renforcer et moderniser l'éclairage public. réhabiliter le chemin de fer. Dakar, qui dira Bamako. Nous allons aussi renforcer la route qui dira Tambacounda, qui dira Bakel. Après le 24 février, xam naa ne gagné à plus de 80%. pour cent. espace numérique ouvert département bu de dinaa un centre de formation professionnelle pour jigéen de Nendeva Raibi, raay Goudiri Djem Kidira dem Nous avons lancé des programmes importants qui ont également bénéficié à votre département dans le PUDC Comme le des moi ma jox rendez-vous le 24 pour que nous ayons fi résultat yu rafet ci Goudiri Ici à Goudiri, il n'y a aucun doute que vous gagnerez très largement comme vous l'avez toujours fait. En ce jour anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Ante Diop, lui rendre encore un hommage.